quelle est la situation actuelle de la pandémie euh, de Covid-19 à Maradi la situation actuelle, euh, elle est relativement calme parce que depuis le 19 euh, janvier 2022, euh, date à laquelle nous avons enregistré notre dernier cas, il n'y a plus même d'alerte dans ce sens. Donc ça veut dire que vraiment au niveau de la région, la situation est calme. Depuis que la pandémie a commencé, la région a enregistré combien de cas Maradi a enregistré 100 cas de Covid testés confirmé. Maintenant, dans les 100 cas, nous déplorons malheureusement 9 décès. 9 décès et au niveau de la région, tous les districts ont rapporté au moins un cas à l'exception du département de Meilly. Récemment, des mesures ont été prises pour alléger certains gestes. Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit Par rapport à l'allègement de certains gestes, comme je l'ai dit, vraiment la situation de la pandémie au niveau, même sur le plan national, l'évolution tend vers euh, la baisse significative euh, des cas. Donc, euh, au vu aussi de la circulation du virus, que ce soit au niveau régional, sous-régional et international, vraiment on constate un certain ralentissement même euh, de la prévalence des nouveaux cas. Donc euh, en rapport avec tout ce qui a été mené comme action, notamment la vaccination, donc cela a amené les autorités sanitaires à proposer au gouvernement vraiment de revoir ces mesures pour euh, permettre aux citoyens de mieux circuler dans le pays et même en dehors du pays. C'est le cas notamment pour ce qui concerne les voyageurs par rapport aux différents tests qui sont exigés. Il y a le délai qui est écourté. Au tout début, par exemple, pour les tests qui viennent par voie aérienne, donc c'était 5 jours et d'observance. À la date même du prélèvement du test, et maintenant, c'est revu à trois jours. Et encore, quand la personne est vaccinée, donc le test n'est même plus exigé. Vraiment, si le délai de la dose administrée ne dépasse pas un mois, quatre semaines.